Euh, on va parler un peu politique Fabrice Ngema avez daaw sujet bi parrainage bi diamono <laughs> di jaxasoo na trop nit ñaa ngi warante ndax warante la wala stratégie de politique là. mais ah mais affaire bi commencer, vous sax parce que histoire du parrainage il faut ñu xoolaat Il y a mhm. même des gens qui ont ne non c'est global hein. Mhm. dafa am ont xamante ils utilisent des images d'une élection. Mhm. pour dire que non les moins parrainage bi. Euh. attention ils utilisent les images d'une élection dans une localité. Voilà, c'est-à-dire même manipulation à outrance. Et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'au finish, ce ne sera pas grand-chose. Quand mhm. le départ, plus mhm. près de 300 retrait de fiches, 300. Mm à la fin, qui tu vois gars ñu ne sàkk non les fils de parrainage yaa fait que fekk ci jaaykatu gerte caaf yi affaire yooyu. c'est pour te dire que non il faut être sérieux quoi. c'est-à-dire affaire au parrainage c'est pas du spectacle. lu tax nañu koy faire comme spectacle. est ce bob que non man mangi l'i mangi maa ngi lee wala man pare naa ci parrainage bi. Hein, léegi moom damay y a ñi man c'est quoi cette histoire là. waaw et puis aussi presse bi aussi la presse aussi aide à ça hein. parce que l'OLO aussi c'est du folklore et la presse joue aussi un rôle pour valoriser ce qui, en réalité, ne devrait pas être valorisé. Ce qui n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Parce, que valeur, c'est-à-dire, examen le, comme probatoire. C'est-à-dire, à mon examen, tu passais en première. Mm-hmm. non non waaw euh, première comme probatoire la rek mais alors mais tu n'as pas le bac tu tu n'es même pas candidat à l'examen au baccalauréat Il y a bàkku bac probatoire ça n'a pas de sens loolu moo tax ah pertinence comme liñ fi proposé woon fii mm-hmm. parrainage yi ku daa de laa ngi retiré fiche nga déposé sa caution sa caution c'est vrai bu ko defoon oui ko defoon suñu fiche yi duñ ko gis ñu parce que am na ñoo xam ne da lay wóor ñaata candidat ngay gis ñu nekk si terrain êtes maté 6 wala sept. fa ñi ci terrain bi ah ñuy mëne campagne campagne sérieuse di dem ci terrain bi fekk ci askan waxtaan ak bariwul de ñi fi doon simb lamb vous leen dégoté leen bu wessul communiquer. Hmm. wala ñu nekk ci réseaux sociaux wala nga romb ñu gis fuñ bind seen ci yi. nañ ci. da ngay gis vous même les images c'est-à-dire da ngay gis image ou élection. diko jël voilà c'est ça le parrainage pour tel ou tel candidat. Voilà. Est-ce que justement, euh, Simon Pierre Fay, li au début du parrainage Fiché, bi muy bëri yaakaar ni faram fàcce Nenko, ko laaj Baham, ba est-ce que ñoom utuñu les rek pour nous dëggal le parrainage warna am solos ci euh, suñu ay élection présidentielle est-ce que li les situation bi dëggalul boobu. les xalaat oui oui parce que à ce rythme quand même on, on, parlera peut-être de la pertinence du parrainage. -hmm mais xëy na niñ ko defee xëy na la ñuy diingat et je pense la cour de justice de la CEDEAO yàgg na ko wax mhm. euh, l'opposition sénégalaise notamment yàgg na ko dénoncé. mais lii quand même euh, il faut se dire euh, je rebondis sur ce que Fabrice a dit mhm. que c'est juste de la théâtralisation autour de ces chiffres que l'on mhm. donne parce que les véritables chiffres xam nga fan la devant le conseil constitutionnel buñ ko dugalee xaw ma logiciel la xaw ma machine la xaw ma lan mooy segg parce que yow yaa ngi collecté mais xamoo lan mooy doublon ak lu dul doublon yow da ngay rek di dem le véritable enjeu mooy devant le conseil constitutionnel et ça ça sera compliqué pour certains d'autant plus que affaire tirage au sort en tout cas c'est le premier bon qui va déposer comme nous, ñi xaw na comme nous, ñu defoon passé hmm. mais ce sera sur la base d'un tirage au sort dis-toi que peut-être hmm. les trois ou quatre premiers au vu de ces chiffres nous ñooy peut-être am chance mais ñi mujjee ni collecter 3 millions ni collecter 10 000 par ci par là ni collecter 500 000 par ci par là mais dis-toi qu'il y aura énormément de doublons parce que le fichier électoral il faut atteindre 0,6 pour tous les 259 candidats qui nga peut-être même 260. en tout cas voilà mais le le le véritable problème c'est que ñu yeggee ñan les doublons là dina arrêté ñu bëree bëri une marge de 5 j'ai même rencontré un candidat pour ma 5 pour en joxe sax mais bu a 15 tous les autres vont passer à la trappe. Fabrice vous vouliez dire. et aussi en fait. il faut être sérieux. Mm-hmm. en principe parrainage organisation là. Mm-hmm. il y a un candidat qui dit que non il a 2700 facilitateurs. Mm. maintenant il a une organisation. ça c'est une organisation. c'est une organisation on peut en parler une organisation. Pour vous dire que parrainage, c'est plus sérieux de Inil Presby, Tama, Riti, Sabar, euh, euh, euh, qui, Chakaba, avec Simbe, 4 pour venir dire que non, simb Lambe, pour dire que non, Marie, ils sont parrainage. Pour, enfin, pendant, remise de parrainage, meeting là. Et puis attention, j'attire l'attention. Certains qui viendront vous dire que non, man, man, je suis pour le parrainage de tel. Est-ce que le candidat en question va, recevoir des parrains. En tout cas, ah, va recevoir ces parrains-là. Même les gens qui viennent frapper à vos portes là pour dire non, qui l'a éligé. est-ce que, <laughs> après pourquoi de, de est-ce que nous nervis En tout cas, <laughs> je pense qu'il faut être quand même, pour les ah. candidats, hmm. à la quête de parrainage, qu'il faut être stratégique. Comment, Dans des villes, par exemple, ou dans des régions comme Dakar. On te dit cette région, à mm. raison de 2000 signatures. Mm-hmm. Mais, yo, optimisez région yi ni Yo, bouffe soirée. Ramasse le minimum que tu peux avoir. Mm-hmm. Dem fenen dans des zones peut-être isolées tu auras peut-être plus de chance mais si tout le monde se dispute Dakar, tout le monde se dispute Thiès, tout le monde se dispute Kaolack, tout le monde se dispute Saint-Louis, mais Durbel. Comme à l'image de Bougane par euh, exemple moi je parie que c'est l'un d'ailleurs des rares hommes politiques qui ont visité day visiter zone mhm. et dans ces zones je le rappelle ici vendredi ou samedi dans ces zones nous avons une localité c'est très rare Nous un leader politique. très bien. Benno Bokk Yaakaar jamono ji bëri na ay ñu ñu génn génn gedd Mamadou Fofana ñu gis ne ni nag ci wàllum parrainage bi ñoom itam ñoo ngi commencé di wax ne ñoo ngi leen di nax ñoo ngi leen di wor loolu ndax du stratégie pour mieux ratisser large ci parrainage yi sachant que am na ci askanum Sénégal ñi leen mere. oui bon xam nga politique aussi contexte la mais également munoo ci dem lu dul ay hypothèses dans les analyses. Mhm. parce que autant euh, mun nga. jàpp ne Mame Boye Diao lu muy wax dëgg la autant mën nga jàpp ne également mise en scène la boo xamante ne nii moom nañ ci gis parce que yàgg nañ di gis ne ne politiciens yi ci seen bopp dañoo yàgg di nax askan wi ci loo xam te ne nii ay stratégie yu ñuy doxal la ay ay schéma yu ñuy tëral justement dara waralu ko lu dul pour nax askan wi te mm-hmm. man la ma gëm moo di ne bu weesoo li nga xam te ne nii moom mooy amadu Ba. muy Aly Ngouille Ndiaye muy Mame Boye Diao muy Boun Abdallah Dionne ñoom ñëpp dañoo bokk fenn foo xam te ne nii foofu nañu jógandoo mhm. peut-être bu amee kenn koo xam te kii sax mën naa jàpp ne ne moom peut-être romp na les amarres ak peut-être ñi nga xam ne ñoom ñooy ses camarades de parti muy la personne de Aly Ngouille Ndiaye mais excepté moom peut-être Boun Dionne mun ne retrouver dans les rangs Mamboy également retrouver dans les rangs mhm. mais ce qui est clair Moi je ne man du ne kat parce que politique aussi ni ñi bu ne ak fa mhm. bu ne ak lañ lay bu ne ak doxalin mhm. donc stratégie pour ratisser large ku ci nekk dem uti après ñu jéem a dajaloo. mën na nekk également loo xam te ne nii dëgg la surtout man ma amoon ci ku may mise te ma gëm ko mooy suis en train moom faire ak mouvance présidentielle et il est clair là-dessus. mais par rapport ak Mamboy Diaw, par rapport ak Boun Abdallah nous ñooñu xam nañ seen relation ak le président Macky Sall. xam nañ également doxalin rapport privilégié bi nga xam te ne nii moo amoon seen qu'est-ce qui s'est passé Mame Boye Diao fa laay ñëw problème bi nga xam te ne moo jëm ci wàllum parrainage yi mais c'est pour te dire beau sérieux wul et si tu n'es pas conséquent ak yow rek da ngay xam ne ne ñoom mooy ñi nga xam te ne nii ñooy jàpp ne parrainage bi c'est une mince affaire or tey jii nii parrainage bi man maa la ko wax gis nga ñii di barballu yëpp bis buñ démé juste au fond dinañ xam na ne lañ doon def yépp lañ doon simba gayndeeg di def yëfu théâtre mais nekkul sérieusement liggéey bu war bo xam tane ni ki bëgg na dem ci jall ci parrainage bi